salut encore une fois encore. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui et nous prions, nous remercions le Seigneur pour encore donner cette opportunité de pouvoir écouter sa parole. Nous allons parler aujourd'hui sur un thème tellement important. Nous allons prier, Père, nous te remercions, nous te aujourd'hui pour cette opportunité. Nous prions que tu nous guides, donne l'entendement et la compréhension, la lumière de ce que nous devons comprendre pour ne pas faire des erreurs. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons parler un thème sur euh, les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens pensent Les chrétiens sur le sabbat et le jour du Seigneur. Le sabbat et le jour du Seigneur. Le mot sabbat, c'est un mot hébreu qui est traduit par le mot sabbat tout simplement signifie repos ou session, ou on appeler aussi repos, c'est-à-dire reste, reste, le reste du travail. Ce qui, ça ne signifie pas septième, cela ne signifie pas septième, plutôt ça signifie repos, euh, session ou bien reste. Dans le repos, du travail qui fait un jour du sabbat. Donc ça veut dire quoi C'est le repos du travail qui fait un jour sabbat. Même ce jour-là même est observé dans, dans différents jours dans les autres pays. Alors, encore une fois, les sabbats dans les Écritures ont été, ont de différentes durées, telles que, par exemple, un jour, comme le cas dans l'Exode, le Seigneur les a dit de, de célébrer ce jour-là. C'était un jour. Ils ont aussi, dans l'exode chapitre 16, ils ont célébré ça pour un jour. Ils ont aussi célébré aussi les, <clears throat> ce même sabbat pour deux jours dans Lévitique chapitre 23 dans Lévitique chapitre 25, ils ont célébré, ils euh, ce, ce, ce, jour-là pour un an. Dans 2 Chroniques chapitre 36, ils ont célébré ça pour 70 ans. Et dans Hébreu chapitre 4, ils ont observé ça pour l'éternité. La Bible a dit qu'on va observer ça pour l'éternité. Non, le, le chrétien, ou bien le sabbat chrétien, c'est-à-dire, nous les enfants de Dieu aujourd'hui, la nouvelle dispensation, Nouveau Testament. Ça veut dire quoi C'est le premier jour de la semaine que les premiers croyants appelaient le jour du Seigneur. Ils ont dit là-bas, c'est ce qu'on a dit que ce, ce, ce fut le, jour-là que je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et même en Apocalypse chapitre 6 le verset 10, la Bible a dit quoi Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. ça Apocalypse chapitre 1, le verset 10. La Bible a dit là-bas quoi Que je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et ce jour, le Seigneur, c'est comme le jour du sabbat. Alors, on voit que la plupart des événements marquants de l'Église du Nouveau Testament ont été livrés le premier jour. La plupart des événements de l'Église du Nouveau Testament ont été livrés le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Ceci inclut, voyons les, voyons les, événements qui ont été livrés, la plupart des événements qui ont été livrés le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Première chose, notre Seigneur Jésus-Christ a ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Ça veut dire quoi Comme la première création de Dieu a été commémorée le jour du sabbat. non, le jour du sabbat, commémorer le jour du sabbat, le septième jour. Le septième, c'est le jour du reste. le jour là qu'ils ont resté. Le septième jour, de même, la nouvelle création en Christ a été commémorée le jour du sabbat du premier jour. Christ est mort, il a pris une nouvelle forme, il a été recréé. Et la Bible dit que dans le Nouveau Testament que nous tous, après la mort ou bien après l'enlèvement, on sera transformé, prendre une nouvelle corps. soit on aura une récréation pour, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Sur cette nouvelle création, première création pour cette terre, le jour du sabbat et deuxième création, quand Christ viendra dans les airs pour en l'enlèvement, on sera récréé et pour mettre le Seigneur dans les airs. Jésus-Christ fut le premier à être ré-créé de la même manière, sans ce jour-là, le premier jour, c'est-à-dire le, dimanche. Deuxièmement, Christ a rencontré ses disciples. Après sa résurrection, il a rencontré ses disciples deux consécutifs, et deux consécutifs et deux juges consécutifs qui était ces jours-là, c'était quoi C'était les jours de quoi C'était les jours de dimanche, le premier jour de la semaine. Troisièmement, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans l'église en Acte chapitre 2, le verset 1, le premier jour de la semaine. Quatrièmement, les premiers disciples se réunissaient le premier jour de la semaine pour rompre le pain en souvenir de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce qui est vraiment important, sa résurrection et sa mort, parce qu'il est mort pour nous sauver. Et il est ressuscité pour nous donner que la victoire, quoi nous, On va aussi ressusciter et nous allons avoir quoi Il y aura pour nous, euh, nous assurer de la résurrection des morts et nous amener qu'on ira au ciel. Cinquièmement, le premier jour de la semaine a été désigné par Dieu pour que les chrétiens épargnent pour l'œuvre de Dieu. Sauve quelque chose, et pas quelque chose pour Dieu, mais quelque chose de, départ pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. D'après l'enseignement de Christ, l'interdiction de travail ou de travailler le premier jour du Seigneur ou le jour du Seigneur ne s'applique pas au service de Dieu. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que le jour là ne pas aller à l'église aux actes de nécessité ou de miséricorde. L'observance cérémonielle rituelle du Christ que certains juifs cherchaient à introduire dans l'église primitive n'était pas commandée aux croyants du Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 16 que, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Les chrétiens ne gagnent pas le salut en observant le jeu du Seigneur. Non, non. Les chrétiens ne gagnent pas le salut en observant le jour du salut. C'est plutôt un jour de dévotion, un jour à se donner à Dieu et chercher la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, prier. La résurrection du Christ marque un nouveau départ pour l'humanité. Vous comprenez, non La résurrection. je ai déjà parlé de quoi De ça. De cette résurrection vraiment importante dans la vie d'un chrétien. Et le jour du Seigneur. Le premier jour de la semaine, c'est seulement, seulement un symbole du nouveau départ. D'un nouveau départ. Après que Jésus-Christ est ressuscité, il est parti au ciel pour commencer une vie à éternité. Après que nous sommes morts, nous serons renouvelés après que Christ viendra. Soit nous sommes vivants, soit nous sommes morts. Tous les morts et les vivants seront transformés et renouvelés, prendre une nouvelle forme pour commencer une nouvelle vie, un nouveau départ. Le Seigneur va nous aider. C'est ça qui est vraiment important. C'est ce que nous allons avoir. Ça veut dire que c'est vraiment important que nous sachions que le dimanche est le jour que nous devons vraiment aller et adorer le Seigneur. Ce sont ces points qui montrent que vraiment, le jour du Seigneur plutôt, c'est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est ce jour-là que nous les chrétiens du Nouveau Testament, nous devons adorer. Pas le sabbat comme les Anciens Testaments. L'Ancien Testament, c'était seulement une image, une sombreté de ce qui est vraiment réellement euh, arrivé dans le Nouveau Testament. Christ est venu a révélé en lumière <clears throat> toutes ces, choses qui se passaient dans l'Ancien Testament. Donc Christ est notre exemple parfait. Ce que Christ en a fait, ce qu'il en a fait, c'est ce que nous devons suivre. Le dimanche est le jour perpétuel, le bon que nous devons seulement rester pour adorer le Seigneur. Non pas seulement que ce jour va te donner le sacrifice, ne va te donner quand tu adores ce jour, tu as au ciel. Non. C'est un jour que le Seigneur nous vend beaucoup des activités dans le Nouveau Testament beaucoup, même les premiers chrétiens, ont utilisé ce jeu-là pour pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est celui là qui se mettait ensemble, rompaient et faisait des cultes ensemble. Même le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est descendu sur eux le dimanche. Que le Seigneur nous aide et nous donne la connaissance et nous épargne de l'ignorance. Merci. Seigneur, merci pour cette parole. Nous te remercions pour d'avoir éclairci. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir ne pas discuter, ne pas débattre sur ta parole, seulement l'obéir. Et ta bénédiction nous sera la leur au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci que Dieu vous bénisse.